mercredi 21 juin 2023. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Samira Wafi et à mes côtés, Mariam Adé. Marie, tu vas bien Ça va bien, Samira, et toi Et ça va. Bonne fête à de la musique à tous nos auditeurs et auditrices. L'édition est assurée par Adam Adawaki et la technique par Issa Lawali. Alors samedi, moi, t'as quoi pour nous ce matin Avant ça, bonne fête à toi aussi, j'ai presque oublié. Revenons à nos moutons, Mariam. Comme d'hab, nous débuterons cette édition avec le flash d'information. Et aujourd'hui, comme invité, nous recevons Issouf Hamadou, directeur de l'orphelinat Omar Bello Barkiré de Saga dans le 4e arrondissement de Niamey. Il va nous parler de cet établissement qui accueille plus de 200 orphelins et comment se la gestion et les difficultés auxquelles ils font face. Dans la rubrique Éco des régions, nous irons à Maradi pour parler de l'opération de la vente à prix modéré des vivres. Il y aura également les lotis préparés par l'équipe femme du studio Kalangu et notre page sport. Chers auditeurs et auditrices, à présent, suivons les flashs d'information avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Mariama Adé, bonjour Samira Bonjour Mokhtar. Le flash d'information à présent, les Nigériens de la diaspora étaient aux urnes dimanche 18 juin passé pour élire leurs députés plus de deux ans après les législatives. Ces élections se sont déroulées dans 15 pays aux États-Unis, en Europe et en Afrique. À la date d'aujourd'hui, tous les résultats sont parvenus et proclamés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les résultats globaux provisoires seront proclamés à la mi-journée de ce mercredi 21 juin par la CENI. Au Niger, les députés ont adopté hier mardi le projet de loi déterminant les principes fondamentaux du régime de la poste. Pour les initiateurs de la loi, il s'agit de rendre le, secteur de la poste plus performant et dynamique en vue de répondre aux défis majeurs de la technologie de l'information et de la communication notamment en ce qui concerne la prise en compte du contrôle euh, du respect des obligations de l'opérateur du service postal universel euh, tel que le prévoit la directive de la CDAO. Le président de la République, Mohamed Bazoum, est depuis hier mardi à Paris, en France, où il participera à un sommet pour un nouveau pacte financier mondial, rapporte un communiqué de la présidence. Selon la même source, ce sommet qui se tiendra du 22 au 23 juin vise à jeter les bases d'un nouveau système pour relever les défis mondiaux communs, en particulier la lutte contre les inégalités, le changement climatique, la protection de la biodiversité, définir les principes des réformes à venir et de fixer une trajectoire vers un partenariat financier plus équilibré entre le Sud et le Nord. C'est tout pour le flash d'information de ce mercredi 21 juin. Passez d'agréables moments en compagnie de nos collègues. Merci beaucoup Mokhtar pour ce flash d'informations. Et comme annoncé en début d'émission, nous avons comme invité aujourd'hui dans cette émission Monsieur Issoufou Hamadou, directeur de l'orphelinat au Morbel le Bakiré de Saga. Mais avant d'entamer cette discussion, un premier tour en musique avec le son Binta de Sani Aboussa. pleitos y Magaling le chanteur nous raconte son histoire d'amour compliquée car la jeune fille dont il est tombé amoureux ne parle pas Hausa mais Armand langue qui lui ne maîtrise pas. Exactement ma belle, une triste histoire d'amour. Le chanteur est né en 1969 d'un père Touareg et d'une mère deux De son plus jeune âge, il s'initie à la musique et parallèlement au football mais il finit par céder pour la chanson. C'est avec son acolyte Abdou Tambalio qu'il sortira de l'ombre avec le groupe Haske. Il connut un grand succès pendant plus de 15 ans au Niger et à l'international, avec le titre Yara Kankana qui lui fit gagner le prix d'Angourmou en 1999 et Bintou que nous sommes en train de kiffer. Exactement, c'est en 2004 suite à une longue maladie euh, qu'il nous quitte à l'hôpital de Niamey, paix In Allah yi yarda wallahi sai mun gana. Mama Bintu ta ce, ni ausa, ai ni ausa kalazar masanniyo, wayo ni kaina. Wai ina ce ma Bintu ta ce, ni ausa, ai ni ausa kalazar masanniyo, wayo C'était Bintou Desane Boussa. Dans cette première partie de cet entretien, les directeur nous présente à cet, établissement les difficultés qu'ils ont à placer les enfants dans des familles d'accueil. Écoutez plutôt le directeur au micro de Samira Rouafi. Je m'appelle euh, Issouf Amadou, je suis le directeur de l'orphelinat Omar Belvalkiré de Saga. Alors, monsieur le directeur, présentez-nous euh, votre orphelinat. Avant, c'était l'orphelinat de Saga, parce que le promoteur, celui qui a eu l'idée à créer l'orphelinat, il s'appelle euh, Omar Bello donc, euh, il nous a quitté le 2 mars 2022. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui on avait porté son nom à l'orphelinat. Donc, aujourd'hui, l'orphelinat s'appelle l'orphelinat Oumar Belberkiré de Saga. Aujourd'hui, l'orphelinat a commencé avec 10 orphelins. Et deux ans plus tard, on a eu à augmenter pour que ce soit 22 orphelins qui sont internés. Mais dans l'établissement où se trouve l'orphelinat, il y a 252 orphelins, dont 100 filles. Et Aujourd'hui, l'orphelinat a eu à interner que le 22, donc faute de place. Quel genre d'éducation ces enfants-là reçoivent ici dans cette orphelinat Donc les enfants se trouvent dans une école franco-arabe où ils apprennent le français et l'arabe. Donc vraiment, ils sont en train d'avoir une bonne formation du point de vue éducation et du côté aussi de l'éducation en tant que tel, donc on est en train de les apprendre comment vraiment faire leurs prières quotidiennes de la journée. Euh, ces enfants-là, vous les tenez jusqu'à quel âge ou bien jusqu'à quelle classe donc euh, voilà les modalités même de la manière dont on prétend les, les, enfants. Donc euh, si l'enfant il est orphelin de père, donc on lui demande d'amener un acte de naissance de l'enfant et l'acte de décès du père et plus une photo d'identité de l'enfant. Et on prend à partir de 4 ans jusqu'à 12 ans. Donc l'âge limite pour pouvoir euh, pour que l'enfant sorte de l'orphelinat c'est à partir de 18 ans. Vous nous avez dit qu'il y a certains qui sont orphelins de père et de mère. Pour ceux qui sont orphelins de père et de mère, euh, quand ils auront 18 ans, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir Est-ce que vous les aidez à se placer dans une famille d'accueil ou bien il y a une autre disposition qui est prise Oui, pour les enfants orphelins qui ont l'âge de 18 ans, donc on continue à les suivre parce jusqu'à l'université, parce que on a dit qu'on va les suivre jusqu'à l'université mais ils vont sortir dans l'orphelinat, mais on va leur trouver un endroit pour eh, une famille d'accueil dans laquelle on va les placer et on va continuer à les suivre, surtout les éducation. Parce que raison pour laquelle on ne veut pas vraiment les laisser partir. Parce que vous savez, aujourd'hui, les enfants, quand vous les laissez partir, donc à un instant, donc ils vont s'adonner à la paresse et ils ne vont plus continuer à travailler. Parce qu'avant, on n'a même pas le collège ici. À partir de 6 donc ils vont aller dans d'autres écoles de la, du quartier donc après, on avait constaté que beaucoup se donnent à l'abandon de l'école après deux ans ou trois ans, donc raison pour laquelle j'ai eu l'idée de créer eh, le collège. Et même l'année prochaine, on compte ouvrir même le, lycée, Charles. Pour pouvoir les placer dans une famille d'accueil, est-ce que vous rencontrez des difficultés Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons tous les réalités du pays. Même si on dit que c'est un orphelin, il y a des gens qui n'ont pas assez confiance. Est-ce que vous avez des difficultés à pouvoir les placer dans une famille d'accueil Et surtout leur maintien dans cette famille En tout cas, on a ces difficultés-là. Raison pour laquelle même on est en train de, on a demandé à des bonnes volontés de nous inciter à nous construire euh, l'orphelinat de l'autre côté. Parce que s'il y a même pas, si c'est pas qu'il y a problème de, de, place, on va même pas donner des enfants à, des familles d'accueil. Parce que ça serait très compliqué parce que d'abord il y a la nourriture de l'enfant. Il faut que chaque fois c'est nous-mêmes qui prenons des sacs, des riz, des condiments et consorts pour aller donner à la personne pour qu'elle assiste l'enfant. Donc, raison pour la question on avait euh, et vraiment le doctoire des enfants ici a suffisamment, donc on ne va pas vraiment faire placer les enfants là dans des familles d'accueil. Est-ce que vous rencontrez des difficultés par rapport à ceux aussi qui ont un seul parent en vie, par rapport à comment, quelles sont les dispositions prises, comment est-ce qu'il va voir son enfant, quelles sont les conditions, ou bien à chaque fois quand l'enfant a besoin de voir sa famille, il peut aller la voir Oui, vous savez, c'est pas tous les monde qui sont, c'est pas tous les enfants qui sont internés ici. Donc euh, ceux qui ne sont pas internés vont chaque soir ils vont rentrer après le cours du soir, ils vont rentrer dans leur famille d'accueil. Donc ils vont d'abord faire le petit déjeuner ici, le déjeuner, le dîner. Après le soir ils vont aller rentrer dans leur famille d'accueil comme il y avait leur maman. Parce que, vous savez, hein, beaucoup de mamans, et, on les laisse seulement à leur soir Parce qu'après le, décès de leur mari, il n'y a, pas, a pas un parent qui est en train de les soutenir. Vraiment, parce qu'on rencontre ce, ce, de difficultés. Parce que chaque fois, euh, des, veuves viennent me dire ici, des fois vraiment, ils ont du mal, deux ou trois jours, la personne n'a pas préparé. Rien que hier soir, il y avait une dame là qui m'a vraiment appelé et qui m'avait dit, ça fait une semaine qu'elle n'a pas préparé avec les enfants à la maison. Parce que ce n'est pas tous ces enfants même qui sont ici. Elle n'a qu'une seule fille ici. Donc vous voyez, donc vraiment, c'est un peu compliqué pour, euh, pour ces gens-là euh, dans leur famille. Chers auditeurs, avant d'attaquer la seconde partie de notre entretien, un notre tour en musique avec le titre Ergata de Fatih Niger. 所以。 Son vrai nom, Binta Labran, est une chanteuse qui a gagné le titre de Gimbian Mawaka Hausa, traduit par Princesse de la musique Hausa. Elle est née à Maradi, une région du Niger, très influencée par la culture nigérienne, pas seulement dans les bis, mais aussi dans la musique. En tout cas, je dédicace euh, cette musique à tous ceux qui vivent un amour à distance et j'espère que vous le passez super, super bien. Alors en 2014, c'est en rendant visite à sa sœur qu'elle découvre la musique au Nigeria où elle a enregistré plusieurs titres, notamment avec les Aligita et autres. Avant, elle ne se montrait même pas dans ses chansons, mais récemment, elle commence vraiment à se montrer dans ses clips vidéo et elle évolue toujours là-bas. de Fatih Niger. À présent, après cette pause, à continuer notre entretien. Exactement. Dans cette deuxième partie, Issouf Hamadou, directeur de l'orphelinat Omar Bello et de Saga, explique comment il assiste les veuves ayant plusieurs enfants à leur charge. Seuls ceux qui sont en âge d'être scolarisés le seront et ceux majeurs, en leur crée des activités génératrices de revenus, suivant plutôt ces explications qu'il m'a données. Monsieur le directeur, si par exemple une veuve, elle a quatre enfants, on ne lui prend qu'un seul, oui, le critère qu'on avait mis ici, c'est en fonction de l'âge de l'enfant. Si l'enfant a l'âge d'être scolarisé, nous, notre souci, c'est l'escolarisation des enfants. On va prendre les enfants qui ont l'âge d'être scolarisés, ceux qui ont vraiment épuisé leur scolarité, donc on, ne peut que le placer parce qu'on a eu à créer même un atelier de couture pour les grandes filles qui n'arrivent pas à aller à l'école. Et on est en train de voir même comment les garçons aussi, ceux qui ont épuisé leur scolarité, de le placer dans des, garages de proximité où ils vont apprendre vraiment un métier. Donc là, on est en train de, travailler sur ce projet, mais ce n'est pas encore fini. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelques difficultés par rapport euh, à, un enfant euh, placé et qui ne suit pas vraiment les règles de l'école oui, ça, ça ne manque pas. Vous savez, l'éducation des enfants, ils n'ont pas les mêmes éducations. Mais sinon, vraiment, on a ce, problème-là où vous allez trouver des enfants même qui essaient même de faire révolter d'autres. Donc, euh, vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Parce que nous, ce qu'on est en train de voir, comment préparer les enfants là, et leur donner vraiment un avenir meilleur. Pour qu'ils peuvent d'eux-mêmes s'en sortir et aider vraiment leurs mamans qui sont encore là avec eux. Vous avez déjà des exemples à me donner par rapport à un enfant qui a fait ici et qui est vraiment un bon exemple à suivre Oui, le premier enfant même que nous on avait pris, il a eu son BPC, actuellement il est au CET. Il est en train de faire la mécanique là-bas. Et l'enfant là, vraiment, ça fait la fierté de tout l'un. Parce même là-bas, on nous appelle pour vraiment nous encourager par rapport à son éducation. C'est un enfant qui ne joue pas. Lui, d'abord, c'est un enfant talibé. On l'avait ramassé en cours de route et il est orphelin. Donc, on a eu à lui faire les dossiers. Et depuis qu'il est venu d'ici jusqu'au jusqu'en 6e, 5e, qu'il a eu son BPC, il était toujours premier de sa classe. Donc vraiment, je peux dire que c'est une fierté d'abord pour nous et pour toute la société. Parmi les enfants que vous avez placés ici dans cette orphelinat, est-ce que vous pouvez nous raconter une petite histoire d'un de ces enfants qui vous a beaucoup touché et qui vous a vraiment motivé à vouloir aider cet enfant et Je peux dire qu'il y a une petite fille qu'on avait placée ici qui a été vue par un monsieur du nom de Karidjo. La la petite fille là, elle était avec sa maman, elle était, sa maman était une folle. je m'excuse du terme. Dans la cour de l'université Abdelmouni de Niamey. Donc, il a vu l'enfant à côté de sa maman. Donc il a fait tout, il a eu à négocier avec sa maman. Il l'avait amené ici avec sa maman. Et voilà, les jours-là, quand vous avez vu l'enfant, elle avait la robe de sa maman tournée autour de son cou. C'est ça, le seul habit qu'il portait. Donc mon second là, il avait pris, il avait donné une robe et on l'avait fait retourner avec sa maman. Deux semaines après, le même monsieur est venu nous voir, donc il est parti avec un de ses amis. Il avait pris sa femme et la dame et son enfant. Donc il les a amenés ici. Donc après, il m'avait demandé de, de, mener une petite investigation pour avoir au moins euh, quelques détails sur euh, l'identité de son papa, les noms, les prénoms et ça, pour que je lui fasse l'acte de dossier. Donc elle s'appelle Nadia Soumana. Donc actuellement, l'enfant là, il est avec euh, les enfants, mais elle a vraiment un retard pour vraiment apprendre avec les enfants parce que je l'ai fait de redoubler deux ou trois fois dans la même classe à cause de son niveau de, compréhension des choses. Vraiment, ça, ça m'a beaucoup touché, ça continue à me toucher parce que, vous savez, si on laisse déjà des enfants là, peut-être que son avenir et quelque part, euh, et nous, on est, tout le monde fait euh, semblant que comme si rien n'était vraiment, il faut déjà des enfants méritent d'être sauvés parce que, et là, quand ils deviennent des, euh, grandes bandites, il faut voir que personne ne peut le contrôler, que ce soit les garçons ou les filles, vraiment, il faut vraiment qu'on aide ces enfants-là, surtout les enfants orphelins, à pouvoir vraiment avoir une bonne éducation comme ceux qui ont leurs parents. De quoi avez-vous besoin et quel est l'appel que vous lancez à l'endroit des bonnes volontés Vraiment, l'appel que je lance aux bonnes volontés, c'est de venir vraiment assister les enfants-là, venir d'abord voir les enfants-là. Parce que le fait même de venir les voir, vraiment, même ça aussi, c'est une contribution. Mais quand tu es dans ton coin, tu ne sais même pas si les enfants sont là ou pas. Donc, vraiment, tu ne peux pas comprendre leur situation et leurs conditions de vie. Donc, le mieux, c'est de venir dans l'orphelinat, voir de visu les conditions de vie de ces enfants-là. Dès que tu viens ici, tu peux savoir de quoi les enfants ont besoin. Vraiment, nous lançons un appel ferme à toutes les bonnes volontés qui peuvent vraiment aider les enfants qui ont les moyens, ceux dont Dieu a donné les moyens vraiment de venir investir dans les enfants orphelins. Chers auditeurs, euh, le Niger euh, sur Kalongo va se poursuivre, mais faisons une petite pause et on se capte juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire consacrée à l'environnement. Le département de Madawa, à l'instar de plusieurs localités au Niger, connaît aussi le phénomène du déboisement sous l'action de l'homme. Exactement cela a entraîné la disposition, la disparition plutôt de certaines espèces végétales et phonétiques dans cette entité. Chef Kamaye, le directeur départemental de l'environnement de Madawa, au micro de Hamza Nomo. matsala ta gandun daji yanzu da aka fuskanta mata ka tahiya da adduna suna sare itacen nan ba don ma da abincin gida ba saboda sai da suke sun mai da su kasuwanci kaje babban matsala matsala ta bi akwai makyaya. makiyaya su ma suna sarewa in suna tahi suna kiwo suna sare itace da wagga waɗanda an tattali cikin gonaki da ma waɗanga manyan itace wanda suke sarewa da sama yanzu mafi yawa ba a samun icce ga hidan kwanci wanda ya mutu da kai ne kenan itace na waɗanda masu rai waɗanda a tsaye su ne ake sarewa kamar waɗannan cikin gonaki ko ku waɗanda an ka shibka sun ka girma tun lokacin furoje a zafi waɗannan wurare da an karaya su ne suke nan ga sariya suna kasuwa suna sai da kaga in ɗauki kwaminikinmu ta azzarori can tsakaninmu da ilagawan akwai wani gandun daji na yan lokacin proje a zafi sun yi da shi har na erihi iccen nan mai kyau wara kaya yanzu duk suna ake sarewa ana ka ana saidawa da wajen kasa da samba gushi ma wannan platon duk kin da ana ita ka sare ana ka ana saida kuma banda nan ma hannan wajen kwaminikin galma ni wanda na sani dai konkretement wuri ne wanda an karaya duk lokacin prozo a zafi yanzu shine aka ta sarewa ana ka ana saida saidawa tana ganin motoci wata alhamis suna ɗauko itace na cikin hais waɗanda ba dace ba mota wadda ba ta kamata a ce tana ɗaukar itace ba ita ka ɗauko itace kaga kenan haka nan an saba ma doka ka je matsala ta gandun daji yanzu amma duk da haka nan dai su masu hannu da shuni masu taimaka ma ƙasa suna ci gaba da aiki yanzu haka ma akwai ayyuka da yawa da ake nan gayi bisa gandun daji kowa ya san wannan gunduma ta madawa da itatuwa kala daban-daban cikin wannan gunduma ta madawa ana samun su da a halin yanzu biyu me ya kawo bacewa na itatuwa don domin akwai itatuwa dama wanda yanzu ba a samu suna cikin eh. karkarar mata duka dai hali da adam ya kawo wannan bace waɗanda itatuwa waɗanda adda muhimmanci sosai waɗanda ya kamata a ce eh, akwai su akwai alheri kaga kamar yanzu su tsamiya su marke itace da irin su da ya waɗanda ya kamata masu unhwani to duka da mu na dasu su sun ka sare su kaji matsalar da aka saboda suna yin tabare suna yin kwangi suna yin duka dai kayan da ya kamata ana unhwani da su kaji abin da ya kawo ga matsala ta bacewa waɗanda itace masu muhimmanci a cikin gunduma da akwai wata babba hadama wadda ana mata sunan da cewa forai kalasi a turanci wadda ke cikin communal bangi ya ne take wannan forai kalasi a halin yanzu horai kalase wannan ta banji da tana da muhimmanci da tana da faɗi kwarai tun lokacin turawa take abin da yasa sun ka kewaye sun ka mera ta horai kalase da saboda ɗimbin goriba goriban nan da icce ne wanda a muhimmanci sun ka kewaye saboda objective ke na a yi kula da wannan goriba sai ya zama yau da gobe yau da gobe goribar duk ma an ka sare a cikin eka da kana samun da ɗari biyu amma yanzu eh, kayan sa aka samu uku hudu har biyar da cikin eka kaga kenan matsala ta samu wannan sabon ONG ga adarar ta zo da ita ce ka ayyuka yanzu na tattalin sassaben zamani da an yi zaman shibka itace sai an ga shibka itacen nan dai kullum ana yi kuma bahin nan ga ƙari an hanga amma yanzu a bayar da manoma kai saboda su kula da wannan sassaben zamani duk da nan kewaye kuma ana ayyuka waɗanga na ramon gina na rabin wata kewayen wannan daji na gwamna saboda a samu dai a farfado da shi akwai wata babban matsala cikin wannan aiki naku wanda za a cewa idan aka ɗauka wajen kwamin da dalilin dan wurno musamman ma wajen daji da na koro akwai wurare da dama wanda sun zaizaye kwarai yani ake domin halhaɗu a hali yanzu nan kuna da abokan hulɗa masu kama muku ko ko yanya eh gada dai akwai air rc tana zuwa can tana aiki amma da yanzu dai gaskiya waɗannan abokan hulɗan sun ɗan yi ja da baya amma nan zuwa gada ba ana tsammanin sun dawo saboda ɗan wurin ya ɗan yi nisa shi yasa ni nika tsammanin abokan hulɗan nan sun kaɗan yi dama ko ko wani yanayi na dai muna fatan dai Allah ya kawo masu kama muna tun da gandun dajin ya zai a samu a ci gaba da aiki. na namomin daji ya ne cikin gunduma ta mada akwai su koko sun kaura to namun daji mai ya dai ba ba su sun kashe su yanzu da akwai su kurege su ce mai su zabi da sauran ya kwari kanana su ake samu cikin da buggan nan amma mai ya dai ka gaskiya babu su kamar su barewa su sauran da babu su nan kasan madawa kasan madawa ta yi hice wajen yan horauta da mahalba wace irin hulɗa ce tsakanin ku da su yan farauta da mahalba akwai su kasan tubar kalla hulɗar da gare mu eh, mahi yawa cikin su kamar lokacin da aka ba su izini a farauta suna zakkuwa su yi wannan kartakin da aka ce mata farauta kaji mu hulɗar da gare mu kuma ba su shawara ga abin da ya kamata su yi ga wanda bai kamata su yi ba C'était là la rubrique hebdomadaire. Euh, maintenant, une petite pause s'impose avec le titre Alibio du célèbre orchestre Étoile de Zongo de Niamey, dont le leader vocal est Chombe Yaro, un groupe qui a fait vibrer les mélomanes des chansons traditionnelles. Et eh oui, dans cette chanson, on parle d'un homme craint et apprécié surtout par les jeunes filles du village. On vous laisse kiffer. Baby, de Zongo avec le titre Alibio. À présent, Samy, direction Maradi Kolia pour le sujet régional. La ville de Maradi a lancé le 17 juin 2023 la troisième phase de l'opération Vente à prix modéré de vivres. Lancée à l'école Sarah Bildi euh, dans l'arrondissement 1, cette opération de vente de 240 tonnes de mille et de sorgo est destinée aux vulnérables pour soulager leur souffrances en cette période de cherté des vivres sur le marché le reportage est signé Mohamed Mamoun. En ce début de la période de soudure, avec la campagne agricole qui s'installe progressivement, les populations de la ville de Maradi accueillent avec enthousiasme cette troisième phase de l'opération de vente à prix modéré de vivres. Pakachet Murtala, le président du conseil de ville de Maradi, qui a fait le déplacement en personne pour marquer l'importance de l'opération, a surtout attiré l'attention du comité de vente pour respecter à la lettre les consignes afin que le mil et le sorgho dont il est question arrive à la cible, c'est-à-dire les personnes vulnérables. Pour cette troisième phase, c'est 80 tonnes de mille et de sorgho qui sont répartis au niveau de chaque quartier. Cela veut dire que chaque commune a 80 tonnes. Et les 80 tonnes, là, on l'a dispatché par quartier au niveau de chaque arrondissement communal. Le prix de la TIA, c'est 400 francs et la vente par sac est interdite. Donc, c'est la vente par TIA. Un ménage peut aller de 1 à 5 TIA. Nous avons profité maintenant pour encore réitérer nos appels vraiment à l'endroit des comités de vente, d'être très très vigilants. Parce que la deuxième phase, vraiment, il y a eu des petits soucis ici. Donc vraiment, nous ne voulons pas que certains membres des comités de vente se retrouvent en prison, comme dans certaines régions. Pour Lawali, le président du comité de vente, toutes les dispositions sont prises pour que l'opération se déroule normalement. Pour cette phase-là ou pour, les phases à venir, nous allons mettre un œil regardant par rapport au respect de tout ce qui a été eh, consigné pour que ceux qui sont vulnérables puissent vraiment eh, être satisfaits. C'est quoi la satisfaction On nous a dit de détalonner cette vente-là jusqu'à environ cinq jours nous allons essayer de le faire. Et dans la cour, nous allons mettre aussi un regardant et par rapport aux petits malins qui donnent de l'argent aux enfants qui viennent vraiment en nombre pour acheter et puis aller faire des sacs et placer dans leur boutique. Cette vente est une aubaine pour les moins nantis en ce moment où le prix de la mesure du mille ou du sorgho frôle les mille francs CFA. La réaction de ces bénéficiaires. kuma muna cikin talakan da masu bukata ki sa muka zo na mu samu wannan abinci mu rata da shi mun dai sayi bakin abin da Allah kadara mu samu dawa ce ana sayar da tiya dala tamanin tiya biyar ce ake sayar gaskiya ba wanda za a ci bai bukata abinci da sauki da marin duk wanda aka ce ana neman abinci da sauki kowa ya zo da gudu ya samu ya sai. abin da ya kawo mu mu samu ɗan hatsin na taimakon da aka taimaka mamu na horo-horo mu ba marayu eh mana abu ya zo masha Allah cikin sauwake sai dai da dai kasan mu kuma talaka da muke an aka ba mu abu da rahusa da rugogo ne yamma da da wani ka gani an ce bakin tiya biyar goma sai ka gani wani ya je can gurin ya habra ce yara kai amshi amso mana amso mana kuma ai ka shiga cikin hakkin wani a ah, na zo sai ne ga buhuna a ah, ya wuce in samu tiya biyar biyu ko ko nawa ne ake badawa Il est incontestable que ce tonnage mis à la disposition de ces 17 quartiers de la ville de Maradi est insignifiant vu le nombre important des nécessiteurs. Toujours est-il qu'il peut soulager ceux qui auront la chance d'en payer. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Passons à présent à la page sport avec notre chroniqueur sportif Adam. Bonjour Adam. Bonjour Mariam. Alors avec quoi nous allons débuter aujourd'hui Eh bien Mariam, l'actualité l'oblige avant de revenir sur l'écrasante victoire du MENA U23 contre leur homologue du Raja de Casablanca. Je vous propose qu'on revienne sur la belle performance des Lions de la Terenga hier soir contre le Brésil. Soir des champions d'Afrique un titre 4 buts à deux face au Brésil. Mira, ce match n'avait pourtant rien de d'amical. L'engagement des deux équipes était une rencontre de très haut niveau. Pourtant, le Brésil avait ouvert le score avant que le Lion de la Terenga ne renverse l'équipe aux cinq, titres, titres de champion du monde avec un but de Habib Delo à la 22e un but contre son camp de Marquinhos et un doublé de Sadio Mané. Pour le Brésil, c'est la troisième défaite en un an face aux sélections africaines après les revers devant le Cameroun 1-0 pendant la dernière Coupe du Monde et le Maroc 2-1 en amical lors de la précédente journée FIFA. Adam, toujours dans la soirée d'hier, il s'est joué les derniers matchs de la cinquième journée pour les éliminatoires de la Cannes Côte d'Ivoire 2023. Victoire de la Mauritanie 3 à 0 contre le Soudan. Oui, Mariam, un match qui concerne le groupe I où on ne sait toujours pas ce qui vont décrocher l'air pour la phase finale. Tout va se jouer lors de la dernière journée de qualification, composée de la Mauritanie qui est en tête avec 8 points, le R2 Congo et le Gabon avec 7 points chacun et le Soudan avec 6 points. C'est clairement la poule de la mort. Hein Exactement. Adam, terminons cette page sport avec la victoire du MENA U23, 4 buts à 0 contre les U23 du club marocain Raja de Casablanca. Oui, Mira, sachez tout d'abord que c'est le dernier match amical du MENA avant le début de la Cannes U23. Nous avons d'ailleurs joint l'entraîneur Zakariaou Ibrahim qui nous fait le point sur la préparation de son équipe. Nous venons à travers ce second match de finir notre stage de préparation au Maroc qui s'est soldé par euh, d'un un but partout pour le premier match et le second match. On a gagné contre les espoirs de, Raja Casablanca par 4 buts à 0. Donc c'est un stage globalement satisfaisant. Ça nous a permis de vraiment de faire tourner l'équipe, donc l'effectif. Nous allons certainement tirer beaucoup d'enseignements à travers euh, cette préparation. Donc dès la semaine prochaine, nous allons entrer dans, le vif du sujet, c'est-à-dire la compétition. Euh, le premier match va nous opposer à l'Égypte. Nous sommes en train de pour finir les derniers réglages afin d'être à 100% pour le match du 25 euh, juin prochain, Inch'Allah. En tout cas, tout se passe bien, le moral est beau fixe. Et surtout pour ce match de cet après-midi, on a vu de belles choses. Il y a quelques, lacunes aussi à travailler. Nous allons en tout cas mettre la dernière semaine pour mieux nous armer, pour euh, faire face à cette euh, grande équipe égyptienne. Donc il va falloir vraiment être très concentré. Les joueurs dégagent vraiment cette envie d'aller chercher cette qualification. Donc avec le concours et la prière de tous les Nigériens. Euh, Inch'Allah, nous allons euh, atteindre notre objectif final qui est de se qualifier pour le JO Paris 2024, euh, Inch'Allah. Mariam, avant de finir, parlons un peu du mercato. C'est désormais officiel. Le champion du monde français Ngolo Kanté quitte Chelsea pour rejoindre Karim Benzema à Ittihad en Arabie Saoudite. Il a signé un contrat de 4 ans avec 25 millions d'euros de salaire net par an. C'est la fin de cette chronique. Au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. Merci beaucoup, Adam. Après l'espoir, restons toujours à Niamey pour rencontrer une jeune femme du nom de Amina Ruga Gebado. Exactement, Amina Ruga Gebado, la cinquantaine native de Nakoni Bangou, euh, excusez du terme, dans la région de Dosso. Elle a pour activité principale la vente de nourriture au marché de Katako de Niamey activité qu'elle exerce depuis plus de 30 ans, elle a débuté avec un capital de 2500 francs CFA. Amina arrive à joindre le deux grâce à ses commerces. Son portrait avec Oumu Oumarou. nder laamu aliou seydi mi fuɗɗi ñiiri ñande mi warno katako mi wadda ko mi tasel gotel mi waddmari ɗo mi jooɗi sonnidi yim goɗɗo hokka e rogo rogoyel guel enna no woodi leecel gon mi itti leecel guel mi ɗeeni joom ɓaade oɗo enna oyi oyi hanko jeyɗon enna oyi mi wara mi jooɗo gimi hokkamo ceede oyi mi hinno mi jogo ceede am o yafaniki am to joni foti aɗa sona ñirde wallayi juuɓi allah so e sappo nder kataku waranja to lisanidi ge laamu aliou seydi wallahi ge laamu aliou seydi miɗo sonna ñiiri to mi haɓɓanama daggaɗa mi seera mi raari ni jonde nden waɗata wari mi adi ta adita sa'o mi natti katako mi daroytako dow kowa mi a hokkay wallahi miɗo yetti allah moƴƴere wallahi mi heeɓi moƴƴere fo aɗa anni pullo kay gaɗa bisaji woni amma bisaji kay ɓiɓɓe sakikiraɓe taniraɓe ɓe conniɗi joni miɗo ɗon ni jooɗi sayi sakikiraɓe aɗa anni ɗum e ala dinngol heɓa ɓeygu to kañum ni joni woni mourada mhm. laamu ali seybo wadde joni a wowi hedde saɗɗarma ɗum on saɗɗarma ko kiiɗa ko metti ɓernde ma wallahi ko metti ɓernde anno ɗuuɗi gam woɓɓe de ñaami joɓata de ɓe ñaami ɓe joɗata sayni joni ko ɗam so ɗum ñande a wattanta jomum ñamani amma min tawi domi watti ñamani siya mabɓe hokkata degom heɓa degom heɓata eyde mi yehi wuuro mi aɗa ñamani kadi mi wara mi fuɗɗita anani hana amma abada mi yahay dow goɗɗo mi daari sayni mi aɗa ñamami ndemi sonni ndemi heeɓi mi yoɓa kanni noon ni to joni ɗum woni ko ferodiri connol ñamande demmu e ko hande denno aɗa antin e ceede no goodi baraki e hande ceede keɓa foti noon e gala baraki amma denno da soodi ba ujunere keɓɗa a luumo to da gineji ma no giɗɗa gara jonka ɗanni diga tewu no woni kilo go'o o nana hemre he woygu to ñande puɗɗirɗa connol ñirdin mm. foti fuɗɗirɗa wallahi komi fuɗɗiri wonama keme joyi keme joyi mi fuɗɗiri wallahi keme joyi mi fuɗɗiri amma de mi natti luumo mo darimi fuu no hokkay hande de mi natti katako wallahi to gimi fuu mi aɗan guineji mi haɗatake ma hano conna da sonni mi ñamane da yeehi da yoɓay a e heɗ ko mi saɗirma mi heɓani to joni ɗo woni noddoje ko gaɗanta sukaɓe hande luumaka no ɓuuri hunde fuu hande da ummike a darike hande aɗa jooɗi aɗa tummidir juuɗe da ummike a waɗi lumaku a heɓi a heɓay a ñama yanina a heɓa ñama a holtan nder a ñaman nder ko hana waɗi ke adar taka dow goɗɗo yiya ko kuma kañum ɗum woni kollitoje e jomum ke ummanike daranike hoore mum wallahi no heɓa baba anno laamiɗo haɓi mm. rugga o ko puɗɗoɗa heɓay fusaɗarma e koreji ma ɓe kiya a pullo hannde a yiya gara connani yirina goɗɗum heɓay fusaɗarma e koreji ma eɓawi fof giyan ɗonan tomi waɗa oɗo miñanno mhm. min dafoɗimi waddi yimi waane umma dara inna dañi baba dañi tawe ni min dañi anani hana ko waɗi binde hannde alhamdulillahi C'était là le portrait d'Aminaruga Gebadou réalisé par Umodado. Passons maintenant à notre dernière tournée en musique avec le titre Kura Tachikura du feu Mahmoud Nadanko. wanda yake ba mu sai halin gashi wanda bai san ka a duniya ka kyale shi wada mu da shi ka manta tsarin shi magi banza ne ku ƙara raina shi in akwai sanda da ya iso ku doke shi ba abin da kake mai domin ka burge shi dan uban magi kar ya so ni shi kenan ko da mun minti ɗaya in ya so ni ban yafe ba. dai maki sai dai yaƙi ya kashe ni koko na kashe na son ƙaryar soyayya ita zaɓa uwar wani kusa ni idan na ganta ai sai dai duka mai zamani ya fi mai laya muna kai muna daɗa gaishe ku ya kasuwa mahasada ku zo ku ji labarin bagaruwa kuma iya kusan ku ne gishiri na rayuwa Idan da rai da lafiya za ku sani sakamakon yana nan za ku gani eh kwana. Bace na hannun ba ba za ta cinin ba. da guru ba za ya raina laya ba. Budurwar wawa gudu sun kwana duniya. A shaidu girma na kai ya zarce wuya. Idan ka kai jarumi ba ka cewa ka iya. Fatan kowa ya kare da mahaifa lafiya, kowa ya yi noma ashe ya tako. Su maza sai dai ta giya. sai Allah ya so ka falla ni lafiya ban sa rigar ado na burge jama'ar gari na san bata wace ba ya famar rayuwa ya famar rayuwa mayu ko kurwar mu tana kasa to lallai ba za ku kashe mu to mun ci dubu to mun ci dubu mun hada da daya mun galar na ba mu san harbin ta ba mun sha gara saura 'ya'yan kura addu'a ta uwa addu'a ta uba ba mu bar dangi ya kaza ta ci ta lashe ta goge baki ba sirri ne. Allahu ka shirya karan bana baya sallah baya azumi kullum sai dai fatan sharri. Bashin gaba mu biya daidai guda ta amarya algaita su sarki ne sabon tsari. shi dai za a yi wannan maganar ta yi tasiri yamana kura ta ci kura dami sha zara in gyada sha bara amara da gara fuska da harara magana jari faɗi alkhairi wata rana ai sai labari La fin de cette mélodie annonce les lotis des femmes du studio Kalangu. Il porte sur l'utilisation des somnifères par certains parents sur leurs enfants. En effet, Mariam, certains moments pour pouvoir travailler ou vaquer à leur occupation donnent des somnifères à leurs enfants pour les endormir. La prise de somnifères paraît efficace dans un premier temps, mais sur le long terme, les risques sont nombreux. Écoutons Rekia Arimi et les deux, binômes qui sont dans ses studios. <laughs> <laughs> na gonandi nangayimka koifuga fulanzam suba zaro waiga bai kan kalabar kan diya safura safura koyin kain tunandirim kwaifu. tanti agoi girbi ai tete ai ma tunan amantun a a mate mariya mariya hey agoi girbi bu. boro si bani to nangai ma hampa dai irin koi aga tunufu mama tani go koifu no son. oh halima ai go ai farga ai ga kwai ga fulan zam kai na fo su bi ba wo se dir koi nir ba amma ya go jirbi no halson ai di zakaran ka a gode ga kani ta dai bani a bani sama yolla halima girbi safar dai no ai nano am sidu dugai sakulla ai mu duga ba wo goyo te su ba masir garse ai gita ma ai nano ibo no a mantun halkason mate jirbi safagin wani gini izo no sudu gin dogan di hinnasi ifo senin hay dimbayni si baga ba banim ko chaw na saka yamu yamu bafunai sara halima girbi safaro hinne kan ai nano amma ine girbi ga bori ga ni sai mai wala ai mandi hai kan to marayyan hayora wallahi ni ga hagandi mamata ni mandi han kan to marayyan haraka wora ni sigidi kan ni go ko chawo marai boy kan yan sigdu girbi ise ni ga girbi safarino ni zo wa sigi girbi no a wala ga do girbi matka himanda aina no safaro daino zama yi ga furu jamara ai si ba sa kulladin kaga te isi. kini rawa a yin girbi te matuka himanda mama ta kan gote te wallahi a si hagu da bayan ni di zan kai kan ga hegu moci ni wal boga kan ga ganji boga yin fulan zam ise ni ga girbi safarino jirbi din dingo gano zan kase a gwanda illa bobo ko ci ga hamba noga jirbi wo zan ku kulkan manto girfo imai him gana si ni zo mo ame ame handu iddu ko en ndi ni jegu safak sambugo no bo fose to kul doktor no ci to ayya ai diyan woga ai man di tali halga kason safaro no yan woga yadin no jegu safaro wa dingo ga no ko ciyasi sintina ga ni di kan man tayi kunno amman dingo dai ase illa bobo no gaga nidi dingo dai ga girbi safar sambu so ku di no zanka kai na se ikkan da masala bobo kan bada gwamno kan ni gobatiga to halima ni bumbo ni ne digo gano da bayan ai mo kadai dirgo fattano aiga safaro se. yadin gani di asibame kadai dirgo fattano aiga safaro asibame wallahi ni goga yadda kurandi <laughs> Halima. Ai ma mama ta gogin harin da amma man ta hari hare no. bai kan dingo gode ga girbi safaro se. lokaci kukura illa foyin nogono kaga hinga kan da kwacca ga han ba nobon walmo a wani bollon do da ga yi yango do hare. da lokaci kai na gamo no ngo gana se wadin gi hinga kande ba din go salan ase ni gidi kan alaka lai si nan go hala ga haifo salin se aga sambu lokaci da lokaci ku mo koi ne ko cha ga hinga te bondoriya fargai asidigi bori aga digi dusungu aga di kubai ga hamo ga dogo mobin yan gidi gadi he dori bu no na kan ga ka wani banda hayai wo kul halima ibami ni go bai kan ni go se semo ni din yankan ga hamba no haga ka gano aibu to da ya dinno ai gana wadin te ni sai gwamna gibisa hanga nai sai koi ne dinga bani izo mu jirbi ni ma dan nan gukan lakkal kanai gono bogai sigi salan nan goga yayye a ga jirbi amma ka ni ka fa mu gono igi nyu mai no wadin banda igi jirbi kan sa tukancin ni tunandi wadini a bisa safa ko kan ni gano To Halima, ai faham din sannayo. di Mariya, alga kasu a go girbi. Kwai ne mu wa kulkan nike yai sebo. Ai lakalai sintin ga tunufa, zama a mango ga tunu. Ai gita maman kun kan ai te ya kan ga hayewo nan no, masala ga ka irse. A'a, masin lakalai tunan ne masala kul no site. nin da ni siye gano jirb safari Ka sai ni ba ni mu koi gasi wal ka sai ni si ba amin dogan da wallahi amma hawo to insha Allah ai gine ya marya ngai sambo to studio kalango we boray dan yirgo rayrano no irga musa sonko pour la culture linguistique avec lui nous allons découvrir ce que signifie la démocratie en français et en zarma euh, bonjour Samira, bonjour Mariam. Effectivement, aujourd'hui nous allons parler démocratie qui en fait est un système politique, une forme de gouvernance dans laquelle la souveraineté émane du peuple. Et selon le dictionnaire Larousse, la démocratie politique est née dans la Grèce antique et pourtant, ce n'est pas avant le XVIIIe siècle que ce fut consacré par la formule de Montesquieu, la théorie de la séparation des pouvoirs, qui est mise en place par, euh, qui est mise par la euh, le suffrage universel pratiqué pour la première fois aux États-Unis. Donc ce sont ces deux qui sont les fondements de la démocratie. Le respect des libertés publiques est au cœur même du fonctionnement de la démocratie dite aujourd'hui libérale. Donc la démocratie s'exerce par la délégation du pouvoir à des représentants du peuple élus au suffrage universel. Le droit de vote est donc l'instrument privilégié de l'exercice du pouvoir par les citoyens, d'où la formule d'Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, qui a prononcé dans un discours La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mhm. Mais néanmoins, bon, on ne peut pas en discuter tout Aujourd'hui, il y a plusieurs formes de démocratie, telles que la démocratie chrétienne, démocratie directe, la démocratie participative, populaire, sociale ou représentative. Bon, peut-être dans les éditions à venir, on va en revenir. Mhm. Pour revenir au Germain, démocratie la mairie du Mifono, que nguo hinoshi kala la bise kambara. Nga kande, France, China, tire, calmer eh, des femmes, tire la Russe année, demokrasi man haikala gres za dondon gres wani labu wani bere ko do kan yan ina lasabu ine kan hino yi ma ga funo charra bon kono dinga goyo la bize dinga goyo la bize wakile dinga goyo ba kuma nga goyo te batka himanda la bize maga amma ima tabbatar da kesin tana demokrasiyo bumbu amante kala amurka labuji zambar ford zangu yanda wayi kin da iddan tara kan yan iko ka sappa ka ngai gin funai sambu ya dinga demokrasi da giti sappe zama sappa din nga giti demokrasi o bumbo a ganjo kanga la bize no fondo iminga hino te ngai bumbo maga gamar ganda wakiliyan kan ngai no ni suban ngai bonse nga kan zati Abraham Lincoln kan ti America labu ne labu ko wicin du iddanta an barbata te kan son a tebore sai meta su gine demokrasi da giti labi zai hino kan labi zai gite labi zai maga yani nga labi zai no su bun ngai bonse wakiliyan kan yanga koi kasalan ngai bon kutonan di bore yanga goye ga sandi do waka ngai gaba in tabbatan di ngai se amma su gani demokrasi dumdumiyan no gono da irsi ni karan sai kulbo kuna yi wani sigir wani ora demokrasi kul bai da de no te labi zai hino kan labi zai gite labi zai se to Moussa démocratie bon chers auditeurs et auditrices si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais en Hausa en Zarma en Tamashek ou en Fulfulde n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au 82 89 89 64 Rima il est temps pour nous d'écouter nos amours nos auditeurs Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Salisu Barsa ni masauran studio kalanguna tun daga can gida yanke mu da kwaro ina sauraron shi akai akai har Allah ka nan garin kwanni sosai ina sauraron shi muna jin daɗin su sosai da gaske saboda wannan shirye shirye gaskiya suna katurawa tunda idan ka tsaka ka su kana jan abubuwa wa'anda kana iya gane abubuwa ga sunan wa'anda za ka karuwa da su ni kullumin ina cikin sauraron shi lokaci lokaci ina gaida akwai wani kakana wanda ake cewa ichu shugaban yan kacari na da kwaro kwado da mai farmasi shi ma na gaida shi dangane da shirin su na marece ina nura cewa kamar bai wuce minti ko goma sha biyar ne haka mu shirin su cidiyo kalangu muna jin daɗin shi tunda ana taɓo gariruwa daban-daban inda son samu ne da an kai shi ko da minti talatin ko awa ma mu abdullahi in aka samu mu muna so mu wallahi studio kalangu shin ku yana mana minti goma sha biyar ina a dan ƙara mana kaɗan saboda akwai labaran da za ku sa mai daɗi wanda mutum yana so a ci gaba da yin shi sai a yanke a taɓo wani daban kuma ina gaida kai kanka abdullahi da kai da yan gidan radiyon ku da kuke kama na labaran studio kalangu ina gaida ku sosai sosai da kuma al'ummar garin gegeme baki da Allah ba mu zaman lafiya sunana isu madatai da magaram to gaskiya wannan shiri yana da alfanu a zamantakewar yan adam maza da mata da yara da ƙanana kuma Kin kingin shirye-shiryen su gaskiya kamar yadda ake wayewa mata kai a fannin lahiya kamar mata masu juna biyu da suke zuwa asibiti ana diba lahiyar su wannan shirin yana burge ni tunda yana wayewa mata kai kenan wannan bangaren yana burge ni kuma ya kamata iya ma mata su rika daukan wannan abun a kansu da zarar sun ga sun samu juna biyu su rika gudanarwa zuwa asibiti domin a rika diba su. ina gaida babaye lefe abokina ne akwai sanushi maɗatai. kuma akwai mamansan san dauda bigiman irugan ina gida shi akwai abokina letro bakin ofital Chers auditeurs et auditrices, avant de se dire au revoir à Rukaito Abdraman pour les titres de la grande édition du soir. Bonjour Ruki. Bonjour Mariam. Quels sont les grands titres alors de ce soir Alors, cette année, l'arrivée de la Koma Duguyobe est précoce comparativement à l'année passée. Le poisson est déjà disponible. Les détails à suivre de l'édition du soir. La campagne agricole s'est installée à Tanout. Environ 316 villages ont sémé selon le directeur départemental de l'agriculture. En partie magazine de ce soir, la partie le magazine de ce soir sera consacré au sacrifice du mouton par le pèlerin et quelques conditions à respecter pour le Hajj.